STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. sur euh, le miroir euh, de la femme. Monsieur, Dama, bonsoir et ravi de vous retrouver à travers euh, cette édition d'information. Cela dit, depuis la proclamation des résultats globaux définitifs des élections présidentielles du 27 décembre dernier par la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, c'est la course aux alliances de les formations politiques. Relativement donc à cette question, nous nous sommes entretenus avec Maman Bachar, analyste sur les questions électorales. Suivant un extrait de son intervention avant de le retrouver plus en détail en partie magazine de ce journal il se trouve qu'aujourd'hui, avec euh, le second tour, après la publication de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, euh, ces mêmes euh, acteurs politiques qui se sont chamaillés à un certain moment, qui se sont reprochés des choses, se sont retrouvés enfin ensemble à nouveau. Mais moi, je pense que si on analyse la situation en tant que telle, dès au départ, ils ne se sont pas quittés puisque en vérité, euh, pendant qu'ils battaient campagne, pendant qu'ils avaient des candidats différents, ils partageaient quand même le même gouvernement. Et ce qui était quand même euh, de, de, notre euh, point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs une aberration parce que vous ne pouvez pas avoir un projet de société, un programme politique différent euh, et euh, vous retrouvez dans les mêmes gouvernements au même moment où vous présentez ces programmes-là à la population pour euh, vous élire. donc, c'était une, aberration qui n'a jamais été comprise, en tout cas de la part, ou en tout cas par beaucoup d'observateurs. Maman Bachar que vous retrouverez en fin d'édition. Déjà en grève, la Fédération des enseignants du secondaire a relancé euh, notre préavis de grève relatif toujours à leur revendication de mandat l'amélioration des conditions de vie et de travail. Ce matin, une de nos équipes euh, s'est entretenue avec euh, le coordinateur national de la dite euh, fédération pour savoir où en sont les négociations. Il n'y a que deux points qui ont fait l'objet de satisfaction. Alors, ces deux points, d'abord, c'est la question donc de de promotion et de l'avancement automatique. Ça a été, là, ça a été décanté. Et deuxième point, c'est le point relatif aux nominations d'étape C et Donc là aussi, ça a été décanté. Mais en dehors, ces deux points, en tout cas, aucun point n'a fait l'objet donc de, satisfaction. Alors donc, ce qui a fait en sorte qu'on a dit, en tout cas, le mouvement va continuer à notre niveau parce qu'on n'a pas concrètement, en tout cas, eu de satisfaction. Mais eh, ce que le ministère, en tout cas la partie ministérielle nous a dit, en tout cas, ils disent qu'ils prennent acte et qu'ils feront tout pour, en tout cas, demander eh, la convocation de ce comité interministériel pour pouvoir, en tout cas, eh, trouver une solution par rapport au point, en tout cas, qui souffre. Le point tel que la question donc du recrutement des enseignants contractuels, le point tel que la promotion au grade des enseignants et des enseignants et le point tel que en tout cas les concours professionnels qui ont été bloqués depuis un certain temps. Voilà et de façon résumée en tout cas c'est sur quoi en tout cas on a échangé avec euh, notre ministère de tutelle. Maintenant, euh, si vous voulez, pour la suite à donner, en tout cas à notre nouveau mouvement, euh, déjà, cette semaine, on s'est réunis. En tout cas, la coordination nationale avait décidé, en tout cas, de continuer la lutte. Nous avons déjà, en tout cas, euh, déposé un préavis de grève qui va prendre effet à partir donc de ce lundi et c'est un préavis de grève euh, de six jours. Donc ça va commencer le lundi et ça prendra fin le samedi. En tout cas, je leur demande en tout cas de, de se mobiliser, de se mobiliser et de se donner les moyens en tout cas pour qu'on puisse en tout cas eh, continuer cette lutte et amener en tout cas nos partenaires à nous entendre et à trouver en tout cas apporter une solution concrète en tout cas à nos légitimes revendications et de ne pas en tout cas céder aux intimidations de ne pas céder aux menaces parce que vous n'êtes pas seul de savoir à un moment de l'histoire nos camarades ont été intimidés en tout cas par les directeurs par les DDS par les DRES en tout cas, eh, nous les demandons en tout cas de garder, eh, de, tenir tête et de continuer la lutte. Cérémonie au siège de l'Union des scolaires nigériens USN de passation de mandat entre le secrétaire général sortant de l'USN et le nouveau bureau de la dite association scolaire à C'était ce matin en présence de plusieurs sections de scolaires. Reportage Issa cette cérémonie consacre la passation de mandat entre le bureau sortant dirigé par Ider Algabit et le nouveau bureau élu du comité directeur de l'USN à l'issue des travaux du 13e congrès tenu à Magadi. Profitant de l'occasion, le secrétaire général sortant a d'abord félicité les scolaires nigériens avant de formuler quelques recommandations au nouveau comité. Privilégier le dialogue et le consensus entre les acteurs syndicaux à chaque fois qu'il y a besoin est d'interagir régulièrement avec les anciens cadres de l'USN afin de recueillir leurs conseils et s'inspirer de leur riche expérience, de lutter considérablement pour la défense des intérêts matériels et moraux des camarades militantes et militants, de se battre pour garder la vivacité et la grandeur de l'USN et de ses valeurs, ainsi que de ses principes hérités de ses longues et riches traditions, de privilégier le dialogue comme stratégie et non comme principe, lorsqu'il sera agi de défendre la plateforme revendicative des militantes et militants auprès des partenaires politiques et administratifs, de faire réunir l'USN et son image à l'échelle nationale et internationale. Pour sa part, le nouveau secrétaire général Ahmed Rahman Mokhtar, après la passation du mandat, a rendu public une déclaration relative à la situation académique et scolaire qui prévaut. Le comité directeur de l'USN exigea l'accélération et la poursuite des chantiers en cours de les universités publiques du Niger ainsi que l'octroi des marchés publics en vue de la construction des bâtiments amphithéâtres, salles de cours, laboratoires et bibliothèques dans nos universités ainsi que leur équipement en matériel adéquat. Exigea la construction des classes en matériel définitif adéquat dans les écoles primaires et secondaires récemment créées par l'État du Niger, exige le recrutement des enseignants en qualité et en quantité au profit de nos universités, écoles supérieures, personnel secondaires et primaires. exige le recrutement des enseignants et pédagogues formés à l'école normale supérieure et dans les écoles normales d'institutions en vue de rendre compétitif le système éducatif national exige des ministères chargés à l'éducation et à la formation de veiller à l'assurance d'un contrôle rigoureux et efficace de la qualité des enseignants dans, certains de nos instituts, écoles euh, professionnelles et techniques, ainsi qu'au niveau des écoles privées ou du secondaire. Exige le paiement des frais de formation des étudiants nigériens à l'extérieur du pays. Exige l'accélération des, des authentifications des diplômes des camarades nigériens à l'extérieur par les universités et offices nationaux du baccalauréat exige, exige au l'établissement des calendriers académiques dans toutes les universités publiques du Niger au titre du dernier semestre de l'année académique et la création d'un comité national de suivi du calendrier horaire de les IPN. Exige la suppression des réformes académiques suicidaires au niveau de certaines facultés de nos universités. Exige l'Office national du baccalauréat de bien vouloir traiter le dossier de dépôt la ligne des candidatures du baccalauréat et surtout prendre en compte les cas des candidats se trouvant dans les zones rurales sans maîtrise réelle des outils numériques. Exige la construction des grandes bibliothèques modernes et documentées dans les universités publiques du Niger. Exige la convocation des États généraux de l'éducation nationale du Niger pour, diagnostiquer le système éducatif actuel au regard des taux d'échec scolaire répétitif et chronique. Ce nouveau comité élu porteur d'espoir pour la base de l'USN appelle sa grande base à cultiver l'unité et la solidarité pour défendre les intérêts moraux et matériels de ses militants. Autre aspect de cette édition, comment se pratique la pêche et la commercialisation du poisson à Difa. Pour euh, Hawa Ari présidente des femmes vendeuses de poissons, la situation sécuritaire de la zone ainsi que le transport constituent des freins pour leur commerce. bole de kama yo raki tu na chunduro kamde le imba gana la na chunduro le dingo holo ne ya buni de ngumbe njidi e ya buni de ba san njidi gana nuya buni de ngu a nguro tuli nga nguro tuli ndu buni de duno kamu ya koina tunda bandanja kana nanga do loyi bandai de ko lenda mangala banda den da kuma bandarin jakano ila ila an kawe don makwallada masala fonden ngana masala wasu fure tayen furu masala wasu fure ta yin gawon jin kwalta da diwi a tu moto ga aiko yin ba loy dirnoi loy dirnoi de wahala me kun wana yi da ji bune jau tun gala da riwa fon ba wasu fure da maro yi mace da ne kun wana ar kolyar naira yar u war mbowi ba ja kala riwa fon ba ba yar wasu fure ngodo ne ya kulu yandiro sadin ba la keren do sa e bincike den no yendi banda wano na da banda kudin ba kawyara kuden jin ba sai dai au biya sayon au biya yor uhuru biya non kuma da da jar nder manga ba ina yonde a wace da ka yinji fanen na do loyi bandai da kwalliya kwanga ye tia shana ja chedo yandi kawyara yandi follo tunduna de na duna kamu yi kwai ha loyi bandai kwalliya Studio Kalangu Au rythme Niger Et voilà, nous en venons à présent à la partie magazine de cette euh, édition consacrée, comme annoncé, à l'analyse faite par euh, le sociologue le sociopolitologue Maman Bachar sur les nouvelles alliances des partis politiques à la veille du deuxième tour euh, de la présidentielle du 21 février prochain. Très bonne réception. Bonsoir. C'est évident qu'au premier tour, euh, compte tenu des enjeux de chacun des candidats, euh, certains candidats se sont affrontés sur euh, non seulement certaines dispositions constitutionnelles, mais également leur projet de société que chacun, à son niveau, voulait faire, disons, adhérer le maximum de, nos concitoyens donc à ces programmes là il se trouve qu'aujourd'hui, avec euh, le second tour, après la publication de résultats définitifs par la Cour constitutionnelle, ces mêmes euh, acteurs politiques qui se sont chamaillés à un certain moment, qui se sont reprochés des choses, se sont retrouvés enfin ensemble à nouveau. Mais moi, je pense que euh, si on analyse la situation en tant que telle, dès au départ, ils ne se sont pas quittés puisque en vérité, euh, pendant qu'ils battaient campagne, pendant qu'ils avaient des candidats différents, ils partageaient quand même le même gouvernement. Et ce qui était quand même, euh, de, de, notre euh, point de vue et du point de vue de beaucoup d'observateurs, une aberration, parce que vous ne pouvez pas avoir un projet de société, un programme politique différent euh, et euh, vous retrouvez dans les mêmes gouvernements au même moment où vous présentez ces programmes-là à la population pour euh, vous élire. donc, c'était une, aberration qui n'a jamais été comprise, en tout cas de la part, ou en tout cas par beaucoup d'observateurs. Donc, cela fait dire, en tout cas aux observateurs, qui, dès le départ, en fait, il y avait des clauses peut-être que les gens ne connaissaient pas. C'est-à-dire, euh, on reste ensemble euh, pour faire une espèce de transition, mais chacun va de son côté pour euh, présenter son candidat et on verra si à l'issue du processus, donc l'un d'entre nous qui vient donc au second tour, les autres doivent le soutenir. Ça peut s'interpréter ainsi puisque au départ, vous, il vous souviendra que l'option qui était celle du parti majoritaire, c'était de faire un candidat unique pour euh, l'ensemble de la mouvance présidentielle. Maintenant, c'est quand cela n'a pas été obtenu que, en fait, euh, peut-être, ils se sont rabattus sur euh, cette seconde option, c'est-à-dire tous s'est présenter, en tout cas ceux qui ont la, volonté et les moyens nécessaires pour se présenter, donc qu'il se présente. Et euh, maintenant, à l'issue du premier tour, on fait une évaluation des de, de, de scores de chacun. Et sur la base de ça, on se regroupe ensemble pour euh, aller au, second tour euh, derrière donc le, le candidat de la mouvance à laquelle on appartient. Et je pense que c'est ce qui fut fait et c'est ça le cas de l'ANDP, et c'est le cas de Jamhouria, c'est le cas du MNSD, qui en fait n'ont jamais quitté le gouvernement, puisque leurs euh, membres étaient membres du gouvernement pendant tout le temps que euh, en fait euh, la campagne électorale s'est déroulée. Donc, de ce point de vue-là, on peut considérer que les partis politiques tels que nous les voyons ils n'ont pas suffisamment de lignes de conduite compréhensibles, en tout cas par, les, acteurs sociaux, par les citoyens de manière générale. Ce qui fait que très souvent, leurs prises de position euh, sont totalement euh, divergentes ou, j'allais dire, euh, totalement opposées d'une situation à une autre. Ils peuvent défendre une option aujourd'hui, une position, aujourd'hui et demain défendre totalement son contraire. Donc euh, malheureusement, euh, c'est à cela qui semble euh, s'habituer de plus en plus les militants. Et ça, ça n'augure pas de bonnes choses pour, pour la démocratie nigérienne. Et donc, ça, hein, ça doit plutôt interpeller plus d'un acteur pour que les, les, les, dirigeants des partis politiques sachent que euh, en vérité, euh, toutes leurs décisions, toutes leurs actions devaient être sous-tendues par la volonté donc des militants à la base. Il est vrai que certains de ces partis-là ont fait des consultations à la base, mais il est tout aussi vrai que euh, d'autres ne l'ont pas fait. Ou alors, même quand ils les font, la décision qu'ils prennent, elle est totalement différente de ce qu'ils ont prise précédemment sur le même sujet. Donc ça, c'est ça, ça crée quand même euh, une espèce de, confusion et finalement ça fait demander aux gens que bon, est-ce qu'il y a finalement une éthique en politique Donc voilà un peu la lecture qu'on pourrait faire. Mais quand on fait une analyse euh, en termes pragmatiques des termes, certainement, les partis politiques se diront que, bon, écoutez, si on fait euh, une réflexion pour le court terme, c'est que dans tous les cas, c'est aller dans la mouvance où on était sorti, où on y est encore, qui est beaucoup plus profitable pour deux raisons. La première, c'est que on partage quand même un certain temps et une, euh, un certain programme ensemble du fait de la durée qu'on a fait dans le gouvernement. Et dans la deuxième analyse pragmatique, c'est de dire que, bon, dans tous les cas, si on parle de ce côté-là, même en cas de non-victoire, on demeure quand même dans, la, dans, ceux qui ont euh, le gouvernement. Parce qu'on a, ou le parti avec lequel nous sommes, à la majorité des députés. Donc, puisque c'est un régime semi-présidentiel, c'est à lui qui reviendra de composer le gouvernement et c'est à lui qui reviendra euh, donc le pouvoir de composer, euh, y compris le bureau de l'Assemblée nationale. voilà un peu la lecture de court terme qu'il peut faire. C'est-à-dire, même en cas de victoire de Mama Ousmane, il va falloir quand même observer euh, au moins <laughs> une année pour espérer dissoudre l'Assemblée nationale et pouvoir repartir euh, euh, sur, de nouvelles bases. Euh, mais puisque au moins on a la garantie que celui-là a déjà le gouvernement, donc autant minimiser les risques et aller là où on est certain de pouvoir garantir quand même quelques positions à nos militants, donc qui vont continuer à être soit à leur poste, ou en tout cas qu'on ait des garanties des postes auxquels nous allons euh, nommer des, militants à nous. Puisque quand vous n'avez pas des gens qui sont nommés, vous n'avez pas de cotisation et donc vous aurez des difficultés à avoir les frais de fonctionnement du parti pour entretenir, y compris les militants de base. Euh, les, partis se trouvent dans des situations euh, du point de vue économique assez précaires qui font que soit ils sont euh, soutenus par euh, ce qu'on appelle les bailleurs à l'intérieur du parti, ou bien alors ils sont condamnés à être euh, au sein du pouvoir pour parvenir à survivre. De ce point de vue-là, ce qui s'est passé n'est que logique. Évidemment, le report de voix n'est pas automatique, comme on le sait, et dans toutes les cultures électorales, dans toutes les démocraties, on sait que le report de voix n'est pas forcément automatique les militants euh, au sein des urnes, c'est eux qui ont le pouvoir de voter euh, dans tel ou tel sens. Mais on sait également que euh, les partis politiques ou l'appareil du parti politique a de l'influence sur ces militants. Et on peut présumer que beaucoup obéiront donc au mot d'ordre qui serait donné par les partis, citant eux que les leaders au niveau local, chacun à partager véritablement la décision prise au niveau de l'appareil central, c'est-à-dire les bureaux politiques. Mais ce n'est pas cela euh, l'intérêt principal pour euh, le parti qui gère le pouvoir ou en tout cas le, candidat euh, du pouvoir. Ce qui l'importe, c'est d'abord une victoire en termes moraux et ensuite une victoire en termes statistiques. En termes moraux, c'est de dire que l'essentiel des partis avec lesquels il était, ils lui ont été fidèles jusqu'au bout. Ils ne l'ont pas quitté. Et malgré qu'ils aient eu des candidats au premier tour, ils sont quand même revenus au Bercail, quoiqu'ils n'ont pas d'ailleurs quitté, puisque je l'ai souligné tout à l'heure, la plupart avaient encore deux ministres dans le gouvernement pendant qu'ils avaient aussi un candidat au présidentiel. La deuxième euh, victoire, c'est une victoire statistique. Puisque au premier tour, le candidat a eu 39%, qui fait un écart de plus d'un million de voix avec son second, avoir un autre candidat qui a 7% et un qui a 2% et qui a 5% fera déjà l'affaire. Puisque là, il aura eu déjà le plus de 50% qu'on cherche pour être euh, déclaré candidat vainqueur aux élections présidentielles. Puisque euh, pour le second tour, c'est celui qui aura obtenu au-delà de 50%. Hmm? C'est lui qui devient victorieux. Même si son second a 49%, lui, il a 41%, et, il a 51%, c'est celui qui a les 50% qui gagne les élections. Donc, dans ces conditions-là, donc le principal parti au pouvoir ou le candidat du principal parti au pouvoir aura gagné ces deux victoires. La première que j'ai dit, c'est en termes moraux, c'est-à-dire il a euh, fidélisé euh, donc euh, les partis qui sont avec lui, et la seconde, elle est d'ordre statistique, donc qui, qui prouverait que en fait il, a, il a gagné les élections dès à présent. Il s'agit juste maintenant d'acter et cette, euh, euh, cette, victoire-là le, le, jour du, du, scrutin, quoi, puisque à l'espèce, il a déjà, sur la base donc de, de ces statistiques-là, il a déjà au-delà de 50%. Donc, euh, naturellement, on peut penser que qu'il a déjà gagné ces élections-là. Nonobstant, naturellement, le fait il n'y a pas systématiquement de report du voix comme on peut le penser. Il peut y avoir ici et là des militants qui n'obéiraient pas justement au mot d'ordre qui serait eh, lancé par euh, les partis politiques. En tout cas, le vote, non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir. Quoique euh, on soit euh, dans une perspective euh, de de la classe politique, de la politique elle-même et autres, il faut quand même sortir voter. Puisque c'est par son vote qu'on s'exprime en tant que citoyen. C'est par son vote qu'on peut espérer influencer les orientations et, les décisions, j'allais dire la gestion même des affaires publiques. Si on ne vote pas, on s'exclut par soi-même. Donc il y a lieu de faire en sorte que chacun, en ce qui le concerne, fasse l'effort de considérer que son vote est non seulement un droit, mais également un devoir. Il faut sortir, voter, même si vous allez voter nul. Hein? Vous ne pouvez pas, sous, sous prétexte d'avoir été frustré ou d'avoir incompris la, la décision euh, donc euh, euh, d'un appareil d'un parti politique ou des partis politiques de manière globale, estimez que vous, vous n'avez plus à perdre votre temps à aller voter. Il faut quand même voter, puisque le taux de participation, c'est aussi un enjeu pour une démocratie.